natt natt doole yi moom ñoo féete kaw suñu xeex ak nguur gi mi ngi mel ni xeexu doj doju doju xeer ak doju suuf ñu ñoo doju xeer yi ñi ci jeex ñooy doju suuf moo tax nag dañuy def lu ne ñoom pour fexe ba ci doju xeer yi nekk du fa jógee waaw loolu image boobu nga jël réew mi le rapport des la ñun la àndal bu ñu dañuy natt doole yi rek Eh, réew mi yëpp xam nañ ko adduna bi yëpp xam nañ ko yëpp xam nañ ne Pastef ku mu ku mu ku mu ku mu léewtal ci làmb ji daaneel ñoo xam nañ loolu te mu nekk li ci nekk nag mooy dafa yéeme parce que ñoom dañuy def dañ defal rek ci affaire acte yi Sonko du dem bu demee ci tribunal bi ñu ñu ñu def ñu Sonko dem beneen beneen tribunal dem mais

di cité article yi article article TSL ba fii may waxe yow ci fii fii may waxe yow amul dara lu mën a tax Sonko du bokk ci élection yi. léegi bu ñu. dañuy dañuy dañuy dem ak doole nag dañuy dem ak doole doole parce que mu yore nguur gi ñu yore assemblée nationale ñu yore euh, euh, euh, arme bi gendarmerie yëpp loolu mooy dese. am na nag ay magistrats yoo xam ne man d'accord mu si naan am magistrats yi amuñu indépendance non. indépendance du institution bi mais ki nit ki la nit niki nit ki mooy war am fulla ak fayda xam ne ba muy jàng xamuloon diw dafa yéeg ndey pa ndeyam ñoo ko fee ñoo topp bu mu jàng am diplôme nekk magistrat indépendance de la justice ñu ngi dépendre ci indépendance individuelle des magistrats et démb bërki maa ngi dégg ministre bi ay Tall Sall di keroog ne am nañu cinq cent quarante et un magistrats mais Yon yon, gache nga la mwen yon, den yon bojèm timoun nèk Senegal yip, den yon yon do di ate. Den yon wala ate. Yon zipe jen fè nèk, kifè yon bir nèk, amnen yon khamne, baril mwen sè fuk, mwen sè fuk. Yon mwen yon tonè, yon nèk kinèk pèl tèlè, ap yon ap sè nèk nèk kou dapèl, ap yon jen lèk kou dapèl, ap yon mwen lèk konsèlèl, ap yon mwen lèk konsèlèm, ap yon jen lèk konsèlèm, Nous, ñu def ils sont pas indépendants bu ñu la la magistrature en général hein la justice en général déedéet bu ñu hein parce que la le rapport des est ultra ultra ultra favorable à passer dans son chef

ñoom ñoo ko ñoo dañ ko aj aj aj boobu nag mënuñu aj parce que li yoon wax dañ ne dañoo war a def li ñu war def ba ba bu këla ñëwee nag dinañ lu di di waat ko mais ñoom ñoom comme ñoo yore doole ji ñoo nguur gi ñoo yore lépp dañ ne non duñ ko def waaye nag ñun li ñu gëm mooy askanu Sénégal li ñu gëm mooy jeunes Sénégal yi li ñu gëm mooy jigéen ñi Sénégal yi góor ñi mag ñi ak ñëpp ñëpp ngi taxaw te parrainage bi li mu depuis le vingt bu nëgg ni waaye nag pour pour pour pour doole ji nekk rapport de force foofu la nekk il faut ouvrir les yeux et les oreilles et écouter et regarder ce qui va se passer et nous sommes en parti nous analysons les situations et à chaque phase on, on, on pose un jalon hein maintenant juridiquement parlant et tous les juristes les avocats, hein, les, les, les, agrégés de, l'université nous disent que juridiquement, il n'y a rien qui empêche son de ce candidat. Jusqu'à moi où je parle. Rien, rien. Avec le contribuable, le contribuable a fait. Et il se passe sur le contribuable pour, pour, dire qu'on ne doit pas l'inscrire sur les euh, L'ordonnance du, juge de, désignation est très clair il a demandé, il a, il a ordonné qu'on réinstalle son code dans ses droits. Hein. et, les gens ont suspendu cette décision-là illégalement. Hein. ils sont allés auprès du Conseil constitutionnel dans sa constitution, mais c'est les mêmes qui tournent autour du, procureur général, du, etc., de, la Cour d'appel, la cour, de la Cour suprême. C'est les mêmes qui, qui font, les mêmes qui, qui font le jeu de, hein. Mais moi, je dis qu'il faut respecter les, magistrats sénégalais, le le, la ministre de, de, qui, il parlait de 540 magistrats, mais c'est 540 mais c'est des Sénégalais. Mais il y a un petit groupe magistrat APL mais qui exécute à la lettre ce que Marquis le demande de faire, c'est tout. Mais nous, respectons religieusement hein, nos magistrats qui quotidiennement règlent les problèmes des Sénégalais. Hein, disent le droit. Eh, mais comme dans, les, dans tous les corps de l'administration, hein, dans, les impôts, les droits, hein, euh, euh, il y, a des brunes galeuses, ça, ça, ça, ça se rencontre partout. je dis que hein, Sonko, si le plan du droit pur, il est encore éligible. Il est électeur et éligible. Maintenant, il a en face de lui un appareil étatique Hein, on, mobilise tous, les organes de l'État pour l'empêcher d'aller hein, euh, aux élections le 25 février 2024. <coughs> Mais légalement, à l'état actuel du code électoral, du code de procédure pénale, du code pénal, etc., un benn article vous l'avez évoqué pour refuser à son ses de parrainage, pour refuser à, son Sonko de passer le barrage du Conseil constitutionnel pour refuser à son code candidat le 24, le le 24 février 2024. Euh, <coughs> il n'y a, aucun texte, aucun, aucun article <coughs> de tous ces documents-là, de tous ces codes-là, mais le, ils ont les les forces de, défense et de sécurité, ils, ont l'administration, ils ont, ils ont ce, croissant, ce de magistrat qui, qui, qui, qui, fait ce qu'il veut mais on, y fait, nous, on, l'est encore avec le droit. Et, je, me, permets ici de saluer le pôle, d'avocat d'avocats de Ousmane qui se, qui se bat 24 sur qui démontre à la face du monde que son Sonko est dans ses droits. Malgré ce qu'a dit le, la Cour de justice de la Unies, aucun droit de son on dit je pense qu'ils sont aussi parce que ce qui se passe dans ce pays-là, mais tous les jours, les trois sont, sont, sont piétinés. C'est inadmissible ce qu'ils ont, décidé, ce qu'ils ont dit là. En tout cas, les Sénégalais ne, disent pas que les trois sont ne sont pas